Bonsoir chers frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage. Aujourd'hui nous parlerons sur le gène. C'est quoi le gène Le gène est un exercice spirituel qui consiste à s'abstenir de manger ou de boire durant un temps donné dans le but de chercher la face de Dieu, donc euh, de but de nourrir notre être intérieur. C'est ainsi, donc, euh, dans Daniel au chapitre 10, le verset 3, donc euh, Daniel disait, je n'ai mangé aucun mets délicat, il n'entrera ni viande ni vin dans ma bouche, et je n'ai moigné point jusqu'à ce que les trois semaines fils accomplissent. C'est-à-dire, ici, Daniel donc, c'est absenté de manger des mets délicats, de la viande, du, du de vin. Donc, dans le but euh, donc, de chercher la face de Dieu, et nous voyons par la suite, euh, il a eu la révélation, il a eu une vision, malgré que le message qu'il a reçu, c'est un message très difficile, euh, oui, mais après, nous voyons comment Dieu l'a fortifié et Dieu l'a donné le courage. Dieu l'a donné la révélation. Mon frère, ma soeur, pendant que nous gênons, nous devons chercher à améliorer, à approfondir notre intimité avec Dieu. Notre intimité avec Dieu, c'est ainsi que nous pouvons recevoir de Dieu des visions, des révélations, donc être intime avec lui. C'est ça les gènes. Oui, c'est ça gènes. Oui, de nourrir notre être intérieur, notre relation avec Dieu, notre intimité avec lui. Que la grâce de Dieu soit en partage, mon frère, à ma soeur, dans le nom de Jésus.